parrainage en violation de la décision de la CDAO du 28 avril 2021 qui, à travers son arrêt, instruit l'État du Sénégal, je cite, à lever tous les obstacles à une libre participation aux élections, aux élections plurielles, consécutives à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral. Fin de citation. Mieux, un délai de six mois à compter de la date de notification a été imparti à l'État du Sénégal par la Cour de justice de la CDAO pour l'exécution de la décision. La Cour de justice de la CDAO a donc ordonné clairement au Sénégal le retrait du système de parrainage. C'est pourquoi la Grande Coalition Wallon-Sénégal considère que le parrainage, on rappelle qu'il a été suspendu pendant les dernières élections locales, ne devrait pas refaire surface. Car notre pays ne peut plus continuer à piétiner sa signature au plan sous-régional, régional et international, puisqu'il s'agit de la remise en cause d'un droit universel de l'homme le peuple, du Sénégal, le peuple du Sénégal tout entier doit rejeter cette attitude peu digne par laquelle la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas appliquée. Lorsque, par ailleurs, Macky Sall fait preuve de promptitude dans l'application sans délai de sanctions contre le Mali. En outre, les dernières élections locales ont révélé, ont démontré des failles que nous avons toujours dénoncées dans le système électoral. En effet, le fichier actuel n'a pas été vidé de ces anomalies, de fraudes, de manipulations constatées dans l'ancien fichier. Cette opération permettrait d'accéder au fichier électoral conformément aux dispositions réglementaires de corriger toutes les irrégularités liées à la production de cartes d'identité sans données électorales et de cartes avec données électorales en dehors des périodes légales et en dehors des commissions administratives régulières ainsi que l'existence de données biométriques corrompues. Le trucage des processus électoraux et des résultats des votes au Sénégal apparaît comme une constante des pratiques de Macky dont il convient de rappeler, sans être exhaustif, la perte de fiabilité du fichier électoral, enregistrant, nous le disions tout à l'heure, de nombreuses modifications hors période de révision des listes. Le refus de mettre à disposition le fichier électoral avant les élections, conformément à la loi. Des périodes trop courtes de révision électorale pour empêcher l'inscription des jeunes. Pour la seconde fois, l'État du Sénégal ouvre des inscriptions, mais dans des délais qui sont limités dans le temps et géographiquement. Ce qui ne permet pas d'avoir un fichier représentatif et à jour. Ainsi, la Grande Coalition du sénégal exige le prolongement de la durée des inscriptions sur les listes électorales pour permettre notamment aux primo-votants et à d'autres citoyens d'user de leurs droits. L'exemple des fraudes massives constatées et documentées dans la ville de Pékin lors des récentes élections communales et départementales est une autre illustration de manque de transparence la Grande Coalition à Sénégal demande à la Cour d'appel de Dakar de vider ce dossier et de dire le droit en dehors de toute pression politique. Une telle attitude, dans un contexte de malgouvernance caractérisée par de mauvais choix économiques, une corruption endémique responsable de graves déficits budgétaires, qu'un contexte international de crise sanitaire et géopolitique continue de détériorer fait peser de lourdes menaces sur la paix au Sénégal. La Grande Coalition Wallou Sénégal considère que, dans un contexte régional fait de graves remises en cause des institutions, l'intelligence de la recherche d'une détente politique et sociale constitue la meilleure protection contre les futures déflagrations que pourrait faire naître la grave détérioration du niveau de vie des populations sénégalaises. La Grande Coalition au Sénégal soutient la lutte des travailleurs sénégalais pour de meilleures conditions de vie et de travail, notamment dans la santé, l'éducation et la pêche ces nombreux sujets étant en suspens depuis des années. La Grande Coalition à le Sénégal interpelle directement le président de la République, Macky Sall, a immédiatement rencontré les différentes coalitions sans intermédiaire et sans préalable pour discuter ouvertement de toutes ces questions et que des solutions consensuelles soient trouvées afin que l'on puisse aller à des élections libres, ouvertes, apaisées et avoir une Assemblée nationale représentative garante de la démocratie sénégalaise. Ceci constitue la seule voie qui rétablirait la confiance entre les acteurs qui partagent le jeu politique et le meilleur moyen de préserver la paix et la stabilité du Sénégal en ces moments de grande turbulence régionale et internationale. Nous vous remercions de votre attention. Donc je vais essayer de faire une synthèse des éléments du hold électoral à la ville de Pékin, donc, qui a été mentionné dans la déclaration de, de, de les euh, en effet, la compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote a donné une victoire incontestable de près de 2000 voix de la coalition Wallou sur la coalition Benobok Yaka pour la ville de Pékin. Les résultats ont cependant été inversés par la commission départementale de recensement des votes qui a proclamé la victoire de Benoît Yakar avec une avance de 1906 voix. Toutefois, l'examen des procès-verbaux de la commission départementale a permis de déceler des irrégularités grossières qui ont conduit à la confiscation de la victoire des urnes de la coalition ces irrégularités sont sur les PV issus de la commission départementale de recensement. On note la, majoration des scores de la coalition Ben et ou la minoration des scores de la coalition Wallou par rapport aux PV réels issus des bureaux de vote et signés de tous les membres du bureau de vote. Ces écarts vont souvent jusqu'à 45 On note également des écarts significatifs, pouvant aller jusqu'à 70 voix entre les suffrages valablement exprimés et le cumul des suffrages obtenus par les différentes coalitions en Une troisième source de régularité est l'incorporation de coalitions non concernées, telles la coalition dans le département de Pékin, la coalition Bourdieu, etc., donc des coalitions non concernées par le scrutin départemental avec des scores dans de nombreux bureaux de vote et sur Ensuite, donc on note l'omission de coalitions régulièrement partantes pour le scrutin départemental sur certains procès On note également comme autre source de fraude électorale donc la substitution de coalitions régulièrement partant pour le scrutin départemental par d'autres coalitions qui étaient, qui n'étaient pas concernées par le scrutin départemental. L'ensemble, la plupart de ces irrégularités concernent, l'ensemble de ces irrégularités concernent au total des suffrages de 12 943 voix qui ont permis, évidemment, de faire basculer la coalition, la victoire de la coalition Wallou vers Benoît Bokoyaka. Et elles ont été pour l'essentiel concentrées dans les communes de Pékin Nord, de Pékin Est, de Mbao et de Dalisson. Par ailleurs, par constat, par constat d'huissier, il a été décelé des votes frauduleux des personnes avec des cartes d'électeurs non retirées au niveau des commissions de distribution. Enfin, on note également comme source de fraude électorale qu'au deuxième jour des travaux, la composition des membres de la commission départementale de recensement des votes a été illégalement modifiée pour être scindée en deux sous-commissions. La sous-commission de recensement des votes et la sous-commission de recensement de la ville qui a été confiée à un assesseur, ainsi le président de la commission départementale de recensement des votes qui a été régulièrement nommé par le président de la Cour d'appel. Et la commission qui s'occupe de la ville est désormais confiée, donc, confinée seulement au recensement pour les L'ensemble de ces irrégularités ont été mentionnées sur le procès verbal de la commission départementale de recensement des votes et un recours en annulation de tous les PV où ces, euh, où irrégularités ont été constatées a été requis auprès de la Cour d'appel, qui à ce jour a vidé la presque totalité des recours relatifs aux élections locales, à l'exception notable de celle de la ville de Pékin et de la commune de Pékin la grande coalition donc demande à la Cour d'appel de dire le droit dans ce dossier en dehors de pression du pouvoir politique. Nous avons initié des marches. Une marche sera encore organisée demain par les jeunes de l'opposition de Pékin à partir de 16h, à partir donc de, euh, du rond-point pour que le droit soit dit et que le droit soit ce n'est pas de façon ciblée qu'on va dire qu'il y aura Mohamed Amin Diallo, Abdul ou Karim mais ce sera des stratégies que nous allons mûrement euh, étudier pour choisir les meilleures formules nous permettant d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie du PDS kese moom mooy ci élection législative parce que dañu nekk ci coalition boo xam ne umpulewu leen ko muy la grande coalition wàllu Sénégal mu doon coalition boo xam ne aussi xëy na bi muy tàmbali ci niñ ko gisee ñu bëri xeeboon ko waaye ba mu génnee ci élection yi aussi euh, boppam c'est-à-dire la tête haute le génne ci élection malgré toutes les difficultés yi nga xam

formule ba l'honorable député mamad Lamine Diallo dañ cee gis wala docteur Cheikh Dieng dañ cee gis wala le maire Daouda Niang dañ cee gis wala keneen lañ cee gis wala Karim Wade mi ngeen di wax lañ cee gis bu boba dara du leen tudd waye pour le moment dal ñun liñu tank fassé fas ko doxal ñu ci xalaat ci anam yi mu ware pour que buñ ci tollé ba année leen finalement li lañu def di ngeen xamné luñu xalaate la luñu waxtané la ba génné ko lépp rek pour lu ñuy may ndam ci élection législative yi nga xam